notre sortie pour revendiquer nos droits. On a des Aériens depuis en 2019-2020 jusqu'à 2021. La raison pour laquelle nous sommes en train d'éliter. Les élèves préfèrent qu'on additionne la première note la deuxième note et on n'a qu'à diviser pour avoir la note de passage. L'administration a dit il faut qu'on fasse deuxième semestre parce qu'on ne peut pas valider une année sans deuxième semestre. Et l'administration, ils ont appelé l'autorité. Les policiers sont venus directement, ils ont pris le SIG. c'est un mouvement du vin. Le jeudi matin à 8h, nous étions en train de faire EPS lorsque je vis débarquer la police. Ils se sont arrêtés à l'administration. Ils ont arrêté quelques membres du lycée agricole. Non content de rentrer dans une cour arrêtée des membres, ils se sont aussi permis de lancer de lacrymogène vers l'administration. Avant de quitter, ils ont aussi lancé de lacrymogène sur nos professeurs, soit disant que c'est pour une autodéfense. C'est le mouvement du 20 qui a engendré le mouvement du 21.